Merci beaucoup. Merci pour cette mobilisation exceptionnelle. Population de fatigue. Avec la mobilisation d'aujourd'hui, nous validons une fois de plus le choix de son Excellence, Monsieur le Président Matissal. Merci pour cette belle mobilisation. Merci également au maire de Fatigue, Monsieur le ministre des Sports, pour son discours et pour ce message de bienvenue à l'ensemble des responsables, à l'ensemble des investis des différentes listes de la coalition majoritaire Benoît Merci également à tous les investis de la grande coalition Benoît dans les 17 collectivités territoriales du département de Fatigue. Monsieur le ministre d'État, docteur Chakante, nous vous devons une fière chandelle. Nous vous devons de vivre remerciements pour cette belle et heureuse initiative de nous convier ici, sur les berges du Sine, noir de monde ce soir, pour démarrer cette campagne qui va nous mener à coup sûr vers une victoire éclatante dans le département de fatigue au soir du 23 janvier 2022. Monsieur le ministre d'État, je tiens personnellement à vous remercier de m'avoir invité à cette grande messe de la coalition Benabok Yakar. Soyez rassurés que je serai à vos côtés, matin, midi, soir, pour sillonner avec vous et avec vos équipes l'ensemble des collectivités territoriales du département de fille pour prêcher la bonne parole, pour montrer et rendre visible les grandes réalisations du chef de l'État, notre grand frère, notre leader, notre responsable à chef, je veux nommer le président Macky Sall. Et cet appel, je le lance également à l'ensemble des responsables. Nous tous, unis, comme un seul homme, travaillons la main dans la main pour offrir au président Macky Sall, comme il l'a dit avant-hier, au 18 sur 18, au 18 sur 18 au soir du 23 janvier 2022. Je pense que le message est entendu. La jeunesse est engagée. Les femmes sont mobilisées. Le troisième âge même est là. Elle veille, il veille. Et à coup sûr, la victoire sera au rendez-vous. Au Fog Fatigue, au Fog Asinik, au mac, Mak,

comme Sénégal Injanka premier le département du Sénégal FOP dites-moi aussi à ministre Matarba pour tous les responsables ga Abiram Fayin aussi wetelu FOP comme commune mais dites-moi aussi tous les responsables fait président Matissal, Sall den no commune ke in FOP mais dites-moi den les donné den FOP en soutien Moïse Sarr xam dem ta den je serai aussi à leur côté et nous tous a nous allons gagner comme communauté, département Fatigue fop c'était le message que je voulais passer en remerciant tout le monde et en appelant une fois de plus à une dynamique unitaire, à de la solidarité, de la générosité pour un département dynamique, pour un département émergent, avec le docteur Chakanté, aux côtés du président Macky Sall. Je vous remercie. Dieu congèle. Dieu